Bande d'incapables On veut rentrer chez nous. Voilà, l'avocat est là. L'avocat est là. L'avocat est là. L'avocat est là. L'avocat est là. L'avocat est là. Hé, eh, l'avocat est là. L'avocat est là. Je suis là ça est L'avocat est là L'avocat est là Mais il eh, blague qu'on fasse avec vos filles capable Vous êtes des imbéciles, vous n'avez pas le droit de faire ça n'avez pas le droit de faire ça. C'est pas comme ça. Je suis là. L'avocat est là, n'avez pas le droit de faire ça. On y va, on y va, on y va. On y va, tribunal, c'est bon. On va au tribunal. C'est bon, arrêtez ce que vous faites. On va au tribunal, c'est bon dañuy dem tribunal dañuy dem tribunal c'est bon on y va mais dañuy tribunal on va au tribunal monsieur on va au tribunal c'est bon on va au tribunal c'est bon on va au tribunal mais laissez-nous tranquille on va au tribunal on va au tribunal on va au tribunal va au tribunal. On va au tribunal. On va au tribunal. Parce que imbécile que vous êtes. On va au tribunal. On va au tribunal. On va au tribunal. Mais on va au tribunal. Non, non, non, non, non, pas, laissez pas On va au tribunal On va au tribunal, nous On va au tribunal, escortez-nous On va au tribunal Attendez derrière capek Imbécile, intolerable laine. Intolerable laine. Intolerable laine. Taw ma. Kaay kaay dem soto kaay kaay. Bay ma fi. Non non, bay ma. Non non, bul def sama dara, def sama dara. Def sama dara, da gaañuma. Bay ma. S'il te plaît, ma moi ma est prise. Elle est hey gardez-moi ces gens-là. Tiens, fais allez. Fala laa mun Fala fan laa ah, putain Laa dugg hmm?